ravie de vous retrouver sur les ondes de nos radios partenaires. Chicken shirin matasa na wannan ƙarshen makon. Maudu'inmu na yau dai damuwar nan ko stress da turanci da matasa ke fuskanta cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Le stress, selon la Larousse, est un ensemble de perturbations biologiques et psychiques provoquées par une agression quelconque sur un organisme. C'est une notion récente, définie pour la première fois au XXe siècle par Dr Hans Silly, 1907-1982, endocrinologue à l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale de Montréal au Canada. Comment de nombreuses personnes au sein de notre communauté et ailleurs dans le monde sont elles aussi en situation de stress, explique l'OMS dans l'un de ses guides illustrés sur le stress. Par ailleurs, une étude menée par une entreprise de sondage française Ipso relève que les jeunes sont nettement plus stressés. Plus de 50% de monde de 25 ans et presque autant de ceux de 25 à 34 ans déclarent subir un stress élevé. Amma, wadan tsafi masu fiye da shekara 65 kashi 24 ne suke fuskantar wannan damuwar. Ku bi mu yau sau da kafa cikin wannan shirin namu don mu gano su matasan Nijar yani suke fuskantar wannan damuwar kuma da abubuwan da ke haddasa musu ita. Nous aurons la rubrique qui est bien sûr rose sur l'émission Tout à la Fada, de la musique et la chronique préparé par Mr. Oli, notre chroniqueur chouchou de l'émission. Qu'est-ce qui provoque le stress chez les jeunes Comment ça se manifeste chez la personne Quel impact le stress a sur la santé On en parle dans cette fada avec des jeunes, des jeunes super actifs, que nous avons conviés aujourd'hui ici à Guntiena, la place publique qui est juste derrière la Sony Bank. Et bien sûr, nous avons avec nous un psychologue pour mieux gérer nos stress dans <laughs> la vie de tous les jours. Nous avons avec nous Adam Mohamani Husseini, il est psychologue clinicien. Bonjour. Euh, bonjour. Vous allez bien Je vais très bien. Nous avons avec nous Maimouna Garba, elle est jeune entrepreneur. Maimou, ça va Bonjour Rabia. Madame. Ça va. To a wannan fadar muna jira wasu wanda muka gaya to hallo ba su iso ba amma in suka zo za su dauke mu um, en pleine émission. Voilà. Euh, dans ce numéro, nous allons profiter de la présence du psy avec nous, voilà, <laughs> pour mieux comprendre le stress da yaya ake gano wannan damuwar da ake tima stress. Duka da a can bayan mun fara zancen muna son ƙarin bayani in mun samu. Eh, Monsieur Usaini, ina so in sani kamar malati ne, ciwo ne, mine ne wannan stress kin. Eh, na gode da kuka bani dama in yi magana bisa kan bisa kan wannan damuwa. Mm -hmm. eh, wanda dr hans shi ya fara magana bisanta okay. a 1956 don wannan damuwa abu ne wanda eh, yanayi ne wanda dan adam yake shiga ciki in yana cikin wani situation sabo, sabo situation okay. ko sabo wani wani abu da bai sani ba kamar wani eh, abu da ya wani abu da ya zama sabo gare shi eh. kuma rayuwa ta duniya kun san kullum muna cikin abubuwa sabbi yau in ka ga wanga gobe ka ga wani mm -hmm. don dan adam har shi ka saba da abun nan jikin shi zai fara bashi eh, zai ce mishi to hankali ka shiga cikin wani sabon yanayi don daga nan jikin shi in jikin shi ya alerta shi ce mishi ga eh, sabon eh, wani abu nan vala sai ka ga ya fara makarkata wasu suna fara makarkata shaidan mutum za ta fara kubcewa za ta shige cikin juna wataran ya kasa ma gayin abun da shike son gayi bayan wannan kuma wannan stress kin yana lokaci la première phase c'est la phase d'alerte okay. voilà mm. donc ne kana ganin eh, jikin mutum zai ga mutu hankali ga wani danje nan ga wani eh, eh, me ake ce mu danje ma Hausa kamar ga ga wani hatsari nan ga wani sabon hatsari nan ko kuma ga wani sabon sabon yanayi yanayi yana zama hatsari ko kuma abun sabon yanayi mm. kenan daga nan dan adam zai fara jikin shi zai fara rawa zuwa eh, zuwa bala zuwa eh. yana cikin yanayi na yana cikin yanayi na eh, stress a ce zuwa ta karyo maka bala zuwa ta karyo shi donc in ya samu ya ya s'est adapté à la à la situation donc cela veut dire qu'il s'est surmonté au stress positif okay, okay. wanda ake ce ma damuwa mai ga hausa an ce damuwa kamar kullum matsala ce shi kuma stress yadda wancan ya kwatanta yana iya zamanto matsala kuma yana iya zamanto yanayi na tahiya da rayuwar duniya paske kullum muna cikin sabuwar yanayin duniya abin da ke ku kuzari yana iya ba kuzari paske eh. yana shirya yana ce maka ka shirya don in ka shirya ka samu ka ka wuce wurin kenan ana ce wannan shine ake ma stress positive shi ya wuce eh sai bon kawai to me in ya zan damuwa lokacin da abun ya zamanto abun yau da kullun yau da kullun kuma ka bai saba da shi ba ka saba da shi a ah, shine dan ne matsala okay eh là je, je crois que là c'est encore <laughs> c'est plus clair <laughs> yan san zo wajen wa'annan matasan da suke tare da mu mai muna zan zo wajen ki kan kin gin su iso ina so in ta ku wannan da kuke tare da mu cikin al'amuran ku na yau da kullum ne yake sa ku cikin yake sa ku cikin irin wannan damuwa ko da ke kowa da nashi abin nashi ko ne ke sa ku eh godiya ne ke rabiya da wannan dama da kuka bani na eh, mu zo mu tohu mu ma albarkacin mu a cikin wannan Eh, tem na yau eh, stress eh, kamar yadda doktor ya hudu ne tsakani da Allah da yake na gaci kamar ba damuwa bace sai ma abin ya ban mamaki fiske mu kullun ganin muke kamar in kana stress sai kamar ma wani musiba ce kenan ga samun ka kuma tsakani da Allah kullun cikin stress din nan ne muke rabiya balle kuka ce mu jeune entrepreneur da sauransu in kun duba kullun gushe ne muke set to set muna nan muna can wata ran sai ma an ce maka tsaya kai lunwashi ka sha iska ka huta kai kaza mu ganin ka duk cikin wani tashin hankali ne mai erasmo eh, avec quelques cours na development personnel da doctor kuma ya faɗe shi ba abu ne ba kamar da za a ca za mu iya hiddawa cikin rayuwar mu mm-hmm. tunda kamar ba ta yiwa dan adam inda yi sahiya ta waye lamuran yau da kullun dole ne wannan damuwa sai ka shiga cikin ta amma sai an ka nuna mun yaya za mu jeranta tunda dai abu ne da mu iya mu kubuta gare shi kuma eh, yanayi kuma dole kamar la situation l'impose kenan yanzu jeranta za a yi yanzu kuma ke personnellement in tambaye ki quelles sont les, les situations que tu rencontres au quotidien qui te stressent euh, situation wanda nake rencontrer ke tura mun stress shi ne kama l'état de rendez-vous surtout si tu donnes un engagement misali kama a ce yanzu gani nan kalangu ina ida da ku zan taya tare da nigeriel bayan Nigeria ina da wani wata visitor zani da wasu abokan aiki kun ga anan duka in ina nan hankali na yana can sai in ga yaushe a idawa ka a ce in yi rotar wata ma shi ma ke kawo wasu hatsari da sauransu kun ga abubuwan sun zo sun shiga cikin juna amma ta ya za mu yi mu warware su kenan shine cikin ouais, de la suite ouais, de nos activités mm-hmm. les interventions za mu samu mafita amma abubuwan ne sun kai yawa rabiya akwai na akwai na ka ba da parole kinka na engagement nan can kenan dole ne ka shiga damuwa balle kaga sauran minti biyar ku gamu da wancan ba ku ida ba mun sai ku har shiga damuwa ina gane dai stress kin wani da na wani madame bane ceux ki stress l'autre ne me stress pas forcément. C'est comme ça que ça se passe. Eh, bisa kan eh, bisa kan fannin stress kowane dan adam da nashi potentiality. Okay. na faire face au stress parce que ça dépend de la personnalité ya danganta da yanayin dan adam yadda dan adam yake percevoir kin abubuwa mhm, mhm. kun gane ko abun da zai sa wani shi tsoro ko kuma zai sa wani damuwa ba shi zai sa mu zai mm. ta damu wani hankali abun da zai ta damu wani hankali cikin awa cikin minti biyu wani sai shi awa guda yana ta da mai hankali don kun gani saboda shine yana da kyau a san stress wannan kala uku akwai akwai stress wanda aka ce ma quotidien don wanda muke muke ciki yau da kullum kullum <laughs> kullum muna cikin stress kullum <laughs> wannan shine ake ma oh. stress quotidien na yau da kullum mm. akwai stress wanda ake ce ma stress uh, cumulé don in abun kana yin shi damuwan nan yana zama to maka kullum kullum kullum damuwan nan kana cikin shi don sai shi zama sai qu'on appelle le stress chronique donc shine stress wanda ake gudu Mm. stress chronic wannan shi yana iya haddasa cututtuka da yawa ga jikin na adam ko kuma ga hankalin shi da yanayin rayuwar shi to yanzu dai amannan mu na fada kun ji wannan hirar tamu da muke nan gayi tare da wa'annan matasan kuma da shi wannan specialist kin da yake tare da mu parce qu'en wannan father on parle du stress mais à cette fada nous avons la rubrique rose et on espère bien euh, son côté fun va déstresser <laughs> certains et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. De la rubrique rose de ce samedi, avec moi Rookie dans l'espace santé et bien-être, vous découvrirez comment soulager les brûlures d'estomac avec des ingrédients à portée de main. Et dans l'espace astuces beauté, on va parler de l'acné et comment s'en débarrasser. Ça sera avec moi Fanta. Et enfin, en cuisine, dans ce numéro, nous allons découvrir quelques astuces pour mettre en valeur nos sauces gombo et sauces feuilles. Ça sera avec moi Bibi. Salut les filles, j'espère que vous vous portez Très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un mal-être assez fréquent chez certains d'entre nous. Il s'agit des brûlures d'estomac. Cette sensation désagréable qui peut nous surprendre à tout moment de la journée se règle avec des ingrédients et épices que vous pouvez trouver même dans vos cuisines. Le premier produit, c'est le lait. Un verre de lait froid peut nous soulager en cas de brûlure d'estomac de façon temporaire car son pH, c'est-à-dire le pH du lait, est moins acide que le pH de l'estomac. Si vous ne tolérez pas le lactose, ne que contient le lait, cette astuce est déconseillée pour vous. Le bicarbonate de soude. Un peu de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau réduira le niveau d'acidité de votre estomac. Il fonctionne comme un antiacide. Cependant, ces remèdes naturels ne remplacent pas les traitements médicamenteux qu'on vous prescrit dans les hôpitaux et centres de santé. Donc, hâtez-vous chez un médecin si les brûlures d'estomac persistent je le confirme parce que euh, à mes débuts de crise d'ulcère, je fais vraiment un traitement choc et on me l'a fait à la clinique et depuis ça fait des mois, il n'y a plus rien. Donc vraiment le mieux c'est de se rendre dans un Les astuces là c'est pour les flemmards. un vrai traitement c'est mieux. Merci à toi Fanta. Coucou les filles, cette semaine, comme je le disais, on va parler de comment se débarrasser de l'acné. Mais avant, il serait intéressant de savoir reconnaître les différents types d'acné. Pour faire simple, L'acné, c'est une inflammation de la peau caractérisée par des points noirs, des points blancs et des taches rouges. Pour faire encore plus simple, c'est ce que nous tous appelons les boutons. Mes petites recherches un peu partout sur le web m'ont amené à conclure qu'il y a plusieurs types d'acné. Numéro 1, il s'agit de l'acné juvénile. C'est l'acné classique de l'adolescence, les boutons qui apparaissent à la puberté. On les appelle aussi polymorphes car les boutons prennent différentes formes. L'acné commence très souvent avec l'apparition de points noirs et des microquistes ou comédons fermés exclusivement sur le visage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'acné hormonal. À la base, l'acné est toujours hormonal puisque la sécrétion du sébum est contrôlée par les hormones. Cependant, il existe des cas où un déséquilibre hormonal peut l'expliquer. Par exemple, l'impact du cycle menstruel féminin c'est également largement impliqué dans l'acné avec une intensification des boutons en période prémenstruelle. 50% des femmes adultes acnéiques observent une évolution de leur acné au cours du cycle avec une poussée de 7 à 10 jours avant les règles. L'acné apparaît le plus souvent sur le visage mais aussi sur la poitrine, le dos et la partie supérieure des bras. L'acné touche environ 90% des adolescents. Elle génère un plus grand nombre de consultations médicales que n'importe quel autre problème de la peau. Je m'arrête là sinon il y a encore plusieurs autres types d'acné. Demain, on verra comment s'en débarrasser à travers des astuces naturelles. Hum, hum, merci bien, Fantala. On passe à la cuisine. Nos amis jeunes, comme je le disais tantôt dans ce numéro, nous allons découvrir quelques astuces pour mettre en valeur nos sauces gombo et feuilles, des astuces que j'ai découvertes grâce à une amie malienne. Ces sauces traditionnellement consommées le soir, accompagnées de la pâte de maïs ou de mil, sont quelquefois préparées avec peu d'ingrédients et d'assaisonnement, ce qui est bien dommage les filles. En intro, ne fermez plus vos marmites après l'ajout du gombo ou des feuilles, cela permettra à vos sauces de maintenir leur texture gluante qu'on aime bien. La première astuce est la friture du sumbala avant de le piler, ce qui va atténuer sa forte odeur et rendre son goût meilleur dans vos sauces. Puis l'ajout de la pâte d'arachide dans la sauce gombo ou les sauces feuilles. Pour les meilleurs résultats, ajoutez-la au même moment que les épices pour la faire frire avant d'ajouter l'eau. Essayez et vous aurez du mal à faire ça dans vos prochaines sauces. La suivante astuce, je vous conseille de tester l'huile de palme rouge dans vos sauces 10 minutes avant la fin de la cuisson. Un véritable voyage à la côte. Enfin, ne lésignez pas sur la qualité et la quantité de la viande. Perso, je préfère celle de mouton, de poisson frais ou fumer dans vos sauces. Elle mérite cette attention et vos papilles méritent le meilleur. C'est tout pour aujourd'hui, euh, nos amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. Hier tu m'as dit je suis ta plus belle mélodie mm. Amis de la Fada, c'était la rubrique rose de l'émission Tout à la Fada. Aujourd'hui, on parle du stress, ce qui stresse les jeunes, euh, les types de stress auxquels ils sont confrontés au quotidien et comment euh, se mettre à l'abri. Adamou Hamani il est psychologue clinicien avec nous, Maimouna Garba, jeune entrepreneur, et nos autres invités qu'on attend. Bien sûr, euh, incessamment, on espère bien. Ça, c'est mon stress d'aujourd'hui, moi. <laughs> Docteur, comment cet état d'esprit peut impacter notre santé quelque chose qui voilà ça c'est une question que j'ai déjà posée. est-ce que quelque chose qui me stresse peut stresser aussi l'autre ou chacun son stress ça on l'a déjà posé mais on, voudrait bien savoir là tout à l'heure vous avez commencé à, à parler à évoquer un peu euh, le stress, quand il est permanent et chronique, uh-huh. ça peut, comment ça peut impacter euh, notre euh, bien-être ou notre santé Le stress, lorsque le stress devient chronique, donc ça peut d'abord impacter notre bien-être physique parce que ça a un impact sur le système immunitaire. Ok. Quelqu'un qui est stressé tout le temps, et son stress et son système immunitaire devient de plus en plus bas et il risque de développer certains troubles physiques comme euh, le trouble de concentration sur le plan physique, le trouble de concentration, l'hypertension, et, comme on dit, euh, ce qu'on appelle estomac. Et, ah voilà, les, troubles gastriques, voilà, oui, oui, hmm. les troubles digestifs. Voilà, oui, oui, effectivement. Maintenant, sur le plan psychologique, il y a, ça risque d'impacter la concentration de, de l'individu. L'individu devient agressif, il y a un trouble de sommeil, eh, en dehors de ça, en milieu organisationnel, comme il y a une jeune entrepreneur, il y a le burn-out. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu de burn-out en milieu professionnel. Donc, le burn-out est souvent lié eh, au stress en milieu organisationnel, ce qui donne les troubles, psycho, euh, troubles psychosociaux. Mhm. Donc, quelqu'un qui, a un problème de concentration dans un milieu organisationnel, vous voyez ce que ça peut avoir sur le rendement. Mhm, mhm. Et sur le plan social, la personne a du mal à, tisser une très bonne relation avec, euh, avec l'entourage, avec euh, le milieu organisationnel. Donc il y a le risque de conflit organisationnel sur le plan organisationnel. Maintenant, sur le plan euh, encore psychologique, il y a l'insomnie, j'ai parlé d'insomnie. Mhm. la personne peut développer l'anxiété ou la dépression lorsque c'est tellement chronique parce que le stress n'est pas... Ok, Mhm. wani eh, rashin kimtsuwa ka gani harkokin ka duka suna shige maka cikin juna ko mhm. kai da kanka kai ta wani eh, tashi tashen hankali ko wani sufar gaba hakan ga ko ka gaza kwana ma ok to amma na fada kun shi dai abin da shi wannan specialist ya gaya muna ga wata wadda muke jira ta iso <laughs> enfin <laughs> Ricky Aboubel est jeune activiste Maimouna aujourd'hui on parle du stress mais elle au quotidien en fait Mickey stressante hein, en tant que jeune entrepreneur yanzu comme toi tu viens d'arriver on veut avoir ton son de cloche tu peux m'expliquer toi euh, Rakia qu'est-ce qui te stresse au quotidien dans tes activités de tous les jours Ce qui me stresse le plus, c'est les choses qui sont faites à la dernière minute. Ça, ça me tue. <laughs> ça me tue littéralement parce que je suis quelqu'un qui aime tout faire en avance. Et donc, quand les gens ne font pas ce qu'on demande de faire et que, par exemple, on a un événement dans deux jours et qu'on se rend compte que sur les dix tâches, on a effectué que deux ou trois tâches, ça, ça me stresse. Parce que je me dis tout le temps qu'on a, beaucoup plus de pression sur nous et qu'on risque de ne pas atteindre l'objectif visé dans les deux jours à venir parce qu'on devait faire telle chose depuis il y a deux ou trois jours, on ne l'a pas fait, tout ça. Ça, c'est ce qui me stresse au quotidien et c'est pratiquement tout le temps. Parce que c'est un peu dans notre nature de remettre, de procrastiner tout le temps. Et après, on se retrouve à faire les choses à la dernière minute. Et ça, c'est mon stress extrême. Et ça peut aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Ce qui est chic avec toi, c'est que tu parles très bien de ça aussi. <laughs> Donc, je veux très bien <laughs> compter sur toi. <laughs> Aïnia Non, mais tu sais, au fait, comme c'est. Voilà, donc là, on parlait du stress qui, selon euh, le docteur, peut mm-hmm. être aussi une source de motivation, peut être quelque chose qui te motive d'adaptation, face à des situations. Est-ce que tu as déjà été euh, dans cette position où le stress t'a boosté au fait que en fait le fait que tout le monde stress ça et quelque part stress qui c'est à toi de voir comment tu vas utiliser ce stress à bon escient ou pas hmm. c'est-à-dire que utiliser zami danga un period ina nan stress, un stress kin ya doki ya kada ni utilizan shi zani dan in samu in yi atteindre kin objective kina ku mm. yi gaskiya ce wata rana stress ke c'est vraiment une source de motivation parce que dernière minute akwai abin da kamata in yi je me dis ok je doka ka biyu gare ni soit in bari ne yawa ka samu kuzarin kai abin da kamata kai a lokacin don gaskiya ce wannan na yarda da haka nan doctor har zan da wajen ku

yana sa mu mu gane marayu mu yana sa mu ci gaba cikin rayuwarmu mm. mai lokacin da stress kin ya zamanto chronic kamar lokacin da ya zama vraiment yana iya haddasa wani cuta mm. lokacin yana da kyau a nemo mishi magani kuma maganin da ya kamata wai ba zuwa za ka yi a rubuta maka magani haka na likita ka sha ba stress ba a rubuta mishi maganin likita sai dai in ya haddasa wani cuta na jiki in kuma ya haddasa su cutar jiki yana da kyau a kula da cutar jiki eh, an ɗauki misali wanda da tension hypertension mhm, mhm. kenan dole ne sai an nemi ma hypertension kenan magani stress kin yana nan maintenant a nemi abin da ya sa source kin stress okay in ana neman stress magani sai an nemo source kin shi an nemo tushen matsala tushen matsala yanzu euh, abin da nake so in sani in um, ko maimu quand tu es stressé euh, comment comment ça se manifeste chez toi que personnellement comment ça se manifeste chez toi eh kamar yadda doktor ya gani gaskiya kamar in mutum ya shiga cikin wa'annan yanayoyi ballantana a ce dai ni damuwa wala ban iya ɓoye ta kuma duk wanda a tare da fuske kamar mutum mai yawan mai yawan dariya da sauransu to da ka shiga damuwa sa sur le visage irin wannan a ganka ni balle gumi gumi sai kiga gani nan ina zuwa kuma ban iya zama ban iya tsayi ni kan kana ban san abin da nake so ba wallahi na yake cewa rabiya da kin gani ina ina gumi kake ma tambaya shi su stress kuma in na zamna sai in ga a ah, tashin yahi bari in tashi in bude fenetar in dauki kun ga yanzu na shiga wani yanayi amma kamar yadda doktor ya hodi ne ni a ko lokacin da in na shiga wannan yanayi wani attar ne sai su ga an ce min to zamna zamna yanzu leur objective su yi su tura ni in yi minimizan situation wajen kenan ita ce abu na farko kenan in yi eh. kasan karhin yanayin kamar wani eh. gumi kamar wata breast ce ke kawata ita kenan ga takawa kenan sa ce min to sa mata ruwan sanyi na sa eh. yanzu a ce min to ilun washi tunda har har da sarkewa ke yi kuma sai na gane tufa komi daga wajen mu ne kenan ni ce na dauke shi degree kin da bai ma kai haka nan ba mm-hmm. yanzu a lokacin da za a ce min to sami shi ruwa sai a zo sai hankali na ya fara komawa sai a ce to wanga abun da ba ma wani abu ba Eh. yanzu yanzu ga da sai a kwanta da hankali sai kashi an ce a ɗauko salula a kira wani yayi kaza kama est-ce que au Niger l'état de stress est diagnostiqué lors d'une consultation chez le médecin généraliste comment kana yace wajen likita ya ba ka sai ya ce maka tu stressé toi koko c'est possible likita euh, yana iya gane ah, parce que euh, alamomi alamomi na stress alamomi ne wanda ake gani ga ga ido alamomi ne wanda ake gani ga ido ko kuma alamomi ne wanda ake iya ganiya ga yanayin kwakwalwar mutum abun da kake furtawa ga yadda kake abun ga kake analyzing situation kin ta manière de percevoir les choses daga nan likita yana iya gane cewa abun ga stress ne gare ka hmm. mai stress kin kuma yana yiwa saboda rashin lahiyar ka ne stress babu rashin lahiya wanda dan adam zai yi da stress kin nan bai biyo ba rashin lahiya na cikin source na stress to yanzu zan dawo wajen um, nan namu wanda muke tare da su matasa kuna jin dai karin bayanin da ah, shi wannan yake mu bisa kan wannan damuwar da ake stress da kullum muna fuskantar ta cikin ta da kullum amma On un peu en musique Tu vas me proposer, qui euh, une musique que je peux mettre sur la fada pour déstresser <laughs> tout le monde. Ben, une, musique qui parle de stress et qui dit nos stress. <laughs> ok. Hein. On a, justement, on a une chanteuse euh, sénégalaise, Viviane Chidid, elle a chanté Nos Stress. Et voilà. Elle <laughs> ah Nos Stress. elle dit euh, les hommes infidèles, l'homme ne doit pas être source de stress pour sa femme dans sa ah. chanson. <laughs> ben oui, vice ça. Donc on écoute Nos Stress de Viviane Chidid et on se reprend juste après. No no bunyunangu takes stress. No no bunyunangu nyunyuita express Sunyu holidays nyunyuita express No no avec l'aide du psy et des jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. J'espère qu'ils vont partager avec nous des, des outils qu'ils utilisent tous les jours pour euh, prendre soin d'eux malgré leur activité, pour gérer au mieux leur stress. Raka, je vais revenir vers toi. Toi, euh, comment tu fais pour te mettre à l'abri du stress au fait T'as as, quelque chose, t'as des idées, des astuces à nous proposer J'essaie de me reposer et de me concentrer sur autre chose. Parce que ni il y a stress, il y a paske ni huskata nan da nan kuraje ke fito mini huskata ta yi baki to an ga huskata ta yi baki an san da stress ne nake da gai eh ça c'est vraiment extrême extrême ya kamata mutum ya yi trasan program matsalar mu kuma mu shine ba mu ba mu trasan program Ko ya hado mu sai mu ce shi za mu yi muna tsakan yin shi wani abu ya zo mu ce za mu yi shi ba ta yi wa il faut que esprit mu ya samu tranquility so il faut que mu samu hutu yasa ya kamata mutum ya kinga trasan program kowane activity gare ka sai ka rubuta shi ga yanda ya kamata kai ga abin da zaka yi ga period kin da zaka sa ka yi shi haka nan ko wani abu ya haɗo maka ka san da wannan period ke vraiment kana da wani abu in ba ka so kai surmenan kanka kar ka sa kanka cikin wani abu kuma na biyu <laughs> maimuna zan dawo wajen ki maimu da zikin har zancen kamar mutum ya sauƙaƙa ma kan shi ka sauƙaƙa ma zuciyarka ka ka ɗauki komi da zahi wani abu ma bai kai haka nan ba kenan ke yana cikin irin abubuwan da kike amfani da su don ki kwantar da hankalinki a lokacin da ka shiga cikin damuwa damuwar koko eh gaskiya Rabiya da idan na gaya muku ne abubuwa abu kadan ya dame ni amma yanzu kamar mutane ne ma in sun shi abubuwan sai su ce mini kai nake da kike iya kwasa duka wanga abu kuma gaskiya yau da kullum ta sa mutum ya saba tun da ganin ne abu ne sai dai ni in hwaɗi mai situation kin in tazo ni zan affrontan situation kin kenan ni ya kamata in samu karhin da zan tunkara wannan abu abu to ina haɗi sai kaka kenan ba ba ga lafiyata to sai ga organization ok yanzu sanda wajen ku eh, kin wannan da yake idan eh, mu mije ran stress kin basko wannan so sani est-ce que euh, dans notre vie de tous les jours à quoi il faut faire attention en fait quoi abubuwan a hattara da su don ka shiga cikin irin wannan

kenan da kaga wannan sin ya fara maka sin ne na farko na a yi hankali akwai wani danje mm. da ke akwai wani hadari da ke son shi same ka kenan in ka san da shi za ka yi hankali ka ka natsu yadda ta ce kuma in aiki ya yi mata yawa tana iya hankali da aikin ta ta yi organizan shi kenan yana cikin yana cikin eh, hattarori da ya kamata kai da kanka ya kamata ka san menene ke sani stress Ka yi hankali da wannan ita in aiki ya yi mata yawa ta san da ya kamata ta yi hankali ta yi aikin ta. ita kuma tana cikin damuwa ta san akwai abubuwan daga fara ce mata a wancan eh hankali akwai matsala gare don ka shine yana da kyau kowa shi san wani yanayi ne ina shiga yana sa ni damuwa in na san da shi ya ya kamata in yi saboda in samu sauki ga abun in ba haka nan ba in abun ya yawa ya zama stress cumulate har ya zama stress chronic shine zai haddasa cuta a jikin mutum don yana da kyau kowa shi san wani yanayi in na shiga bani iyawa mi ya kamata in yi wanda ka iyawa eh. to wasu bakin namu sun zo a yanzu mu kuma shirin namu na faransa hausa ya ya zo karshe okay don abun duniya duka kaka ce ka ɗauke shi kawai kamar tut ta kwa. Sai bon kawai. tu as en temps pour ta vie pour toi même mm-hmm. donc in baka da lokaci don kanka ma yana sa ka shiga cikin yanayi na stress kenan mutane in ka diba weekend saboda in yi magana bisa kan weekend kin weekend saboda mutum shi ta shi huta ne amma yanzu Eh, yanayin rayuwar nyamai ko kuma gaba ɗaya nijar ya zamanto weekend ba ma na huta ba ne aikin da za ka yi cikin kwana biyu na weekend ya yi san ka jurkin da za ka yi a biro in ka tashi tun da sa kai ne nan kai ne nan moi je me demande est-ce que les gens est-ce que mutane suna da lokaci don kansu kai namiji ka huta da sahi weekend duk kana yawon duniya parce que moi j'appelle ça comme ça ka mamance da diyanka ka mance da matanka ka mance da abun da ya kamata ka yi dole ne wata ran ai mu ne in ka kwanta

Dear friend, good evening. Vous l'aurez compris, ce soir je suis en mode british. Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans la chronique de ce soir. Et bien aujourd'hui, c'est un pan de l'histoire et de culture générale qui nous intéresse. Et nous prenons nos pieds pour nous rendre en Angleterre, au pays de la reine d'Angleterre, désormais du roi Charles III. Le jeudi 8 septembre, le monde entier a été ébranlé par l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, reine d'Angleterre, mettant ainsi fin à une reine de 70 ans. Cette information, si loin de chez nous, est importante pour notre culture générale. À elle seule, la reine Elisabeth II restait une reine des corps. Elle fut celle sous laquelle a eu lieu la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, l'indépendance des pays africains colonisés par l'Angleterre. Sa visite au Ghana en novembre 1961, c'est pas de danse du High Life ghanéen fait de la souveraine la seule et unique reine européenne à visiter un pays ouest-africain, en ces pays où soufflaient les vents de l'indépendance. Les premières années du règne de la reine Elisabeth II sont marquées par de nombreux voyages. Elle entreprend en 1961 une visite officielle au Ghana, en dépit des risques qui pesaient sur sa sécurité. Son hôte, le président Kwame Nkrumah, a fait l'objet de multiples tentatives d'assassinat, ce qui suscitait des craintes. Mais à l'époque, c'était la guerre froide. L'ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1957 se rapprochait de l'URSS et pourrait quitter le Commonwealth. Alors, la reine insiste. Comme j'aurais l'air sotte si j'avais peur de visiter le Ghana, puisque Khrouchtchev, leader soviétique de l'époque, y allait en étant bien reçu. Son voyage est un succès et réaffirmait les liens entre les deux pays. En témoignage, les photos de sa danse avec Kwame Nkrumah lors d'une réception qui font le tour du monde. Conclusion, le Ghana fait toujours partie du Commonwealth, même en 2022. La souveraine anglaise a vécu 70 ans de sa vie en tant que reine. Une longévité marquée par des étapes importantes du monde contemporain. Si la reine d'Angleterre à ses vieux jours visitait très peu de pays africains, dans son jeune âge, elle était en sur des questions d'apartheid en Afrique du Sud et d'indépendance dans les territoires occupés par les colons anglais. Son amitié avec Nelson Mandela fut l'une des meilleures. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est la fin d'une chronique historique digne d'une histoire de royauté. D'ici là, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle chronique. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Bye bye. Merci bien Olivier, c'était la chronique de l'émission Tout à Fada. abin da dai muka gano dai wahirar tamu shi dai wannan damuwa da ake cema stress wannan hali na damuwa da ake shiga ciki abu ne mai iya zamanto baya da kyau kuma yana iya zamanto mai kyau in ka san an za ka dai ka kimtsa rayuwarka ka kimtsa lokacinka kana iya amfani da shi don ka yi saurin nazari don ka yi nazari da kyau don ka samu kuzari na jerar rayuwarka mais c'est aussi un état euh, auquel il faut vraiment faire attention euh, aux alertes euh, que nous renvoie notre organisme pour ne pas que ça affecte notre bien-être. Ben, les jeunes, j'espère que cette émission va vous aider dans votre vie de tous les jours à mieux vous organiser, à mieux vous occuper de vous-même. On vous dit à la prochaine sur l'émission Tous à la Fada. Merci.